exactement sept. Mm Inch'Allah, dès l'installation, chacun à ce qui le concerne. Pour le président, pour ma part, il n'a pas encore évoqué le sujet. Mhm. Donc, Dina à son niveau s'il va y aller ou pas. En mhm. tout cas, li moi que l'Assemblée assemblée mhm. refléter le peuple sénégalais donc euh, euh, le président Amoudouba, il n'a pas encore décidé euh, s'il va aller siéger à l'assemblée nationale ou pas Bon, il, a, il n'a pas encore, euh, il s'est pas encore encore exprimé, en mhm. tout cas à notre niveau. Mhm. Donc, euh, nous attendons le président pour mm -hmm. ça. une réunion d'évaluation peut-être. Mhm, il va convoquer d'un jour à l'autre. Bon, moins que dès l'installation aussi, c'est à lui maintenant que revient la décision de pouvoir siéger ou pas. Dina apprécier Hall, il va siéger. Bon, dès que sujet mais là, nous avons aventuré du parce que moi aussi nek na ko xamné homme d'état la kilifa la ni muy dañ koy suñu comme d'accord d'accord mm-hmm. muy donc da ngeen koy baye ko ak mm-hmm. donc mu jël décision bi nga amana moy gën ci mom gën ci réew mi ndax mm-hmm. feulé ci penc nous réew mi ay député du peuple lañ fa soxla donc ku melni euh, Amadou Ba ak li nga CV bi mu am dañ koy soxla euh, mi dañ leen soxla penc réew bu euh, peuple espérons seulement que Amadou Ba siège parce que soxla nañ ay genre